yàggal la fi te doon la gën loolu sëriñ Bassirou wax fa tubaarakallaaw loolu rek moo nekk ci na ko bu baax mbàkke amiin ñam ndam bu baax

te nee ba song sa sumbal bopp nee li ko fi indi mooy mu ñëw ziyaara la li ko taxaw nee bi yàlla dofee mu jël nee sa bu xudóos jàppale ko ñaanal ko ne ginnaaw loolu ni ngay tàllal loxoom ña nga ko ñaanal mbooloo mi yëpp yi mu àndal. moom tànk réew mi di njëriñu boppam yi moo xam ne moom la yëkkati di ko doxee du njëriñal boppam njëriñu réew mi rek yàlla defal ko kàttan ak wér mu fa tabaarakalla ba li mu yéene ci Sénégal mu yegg nag. mais ñu ngi tàllalaat seen i loxo di yeesluwaat ak mbooloo bi mu àndee yëpp muy liste bi mu jiite nga ñaanale suñu borom subhanahu wa taala may leen ndam ba li ñu yéene ci Sénégal yeggale ne mi fi nekk yëpp ne di leen ñoom ñëpp ne eh, ñu ngi dellu dem ci fedd li kóllëreem ak daaru ne eh, jërë ngeen jëf mbooloo mi ñu doon leen déglu rek kàddu sëriñ bi mi ngi ci ba Basiru parce que am wax naan benn kàddu la nee na jërë ngeen jëf ne jërë jëf jërë ngeen jëf yàggal la fi loolu rek moo nekk ci yaanu moom ni ko parte yàqaloonu dara amiin mbàkk na ko ñaal bu baax mbàkke amiin ñam ndam ñam ndam bu baax est-ce qu'on peut savoir les raisons qui vous ont vraiment poussé à rejoindre la coalition gagnante Mais vous savez, <laughs> nous sommes un parti souverain et nous avions déjà, euh, depuis plus de trois mois, euh, pris contact avec l'ensemble de l'opposition significative. Euh, c'est dans ce cadre-là que nous avions à l'époque mis sur pied euh, une première coalition qui regroupait l'essentiel des partis euh, représentatifs dans notre pays. Mais malheureusement, euh, cela n'a pas été effectif pour des raisons que je ne peux pas dire ici. C'est pourquoi, au dernier moment, j'ai, avec le PDS, monté cette coalition que, qui est en train euh, de battre campagne et qui, je l'espère bien, euh, a l'adhésion d'une bonne partie euh, des concitoyens sénégalais. Donc voilà les raisons qui m'ont poussé à aller avec le PDS. Surtout, le PDS est un parti qui seul pourrait avoir des députés. Nous également, parce que déjà, vous vous rappelez, en 2012, à quelques un mois des législatives, nous, avions, nous étions parvenus à mettre sur pied une coalition qui avait déjà dans un premier temps réglé un problème très sérieux, c'est-à-dire la représentativité, avoir les 45 listes dans les 45 départements. Nous avions aussi réussi à euh, battre campagne normalement et au finish, nous étions sortis troisième derrière Beno Bokoyakar. Le PDS, c'était Boko Et en 2014 aussi, notre parti a gagné 29 mairies à travers notre pays. Euh, c'est dire que nous étions en mesure également de mettre 45 listes dans les 45 départements et d'élire des députés à l'Assemblée. Mais cela ne nous intéresse pas. Nous avons surtout voulu mutualiser nos forces pour euh, avoir une majorité à l'Assemblée. Voilà les raisons fondamentales euh, qui nous ont poussé à faire une coalition avec le PDS. Beaucoup, de, beaucoup de membres de Business ont, quitté le navire pour rejoindre euh, Bokéaka, dont Bachelet Diallo de Waka. Mais je, je, vous rajoute deux ou trois autres. <laughs> Mais ce que nous avons engrangé euh, comme adhésion de toutes les forces euh, de la coalition gouvernementale, je ne peux pas le dire ici. C'est comme ça euh, c'est des responsables qui ont estimé en un moment donné que s'ils ne sont pas sur les listes, ils doivent quitter le navire. Mais auparavant, le cas de Bakili ne doit pas vous étonner, parce que Bakili était déjà coopté par le président Macky Sall dans le Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais il n'a fait que rendre la pièce de la monnaie. Cela n'est pas une démission. Bakili avait démissionné depuis longtemps. Mais il voulait nous pousser dans une situation qui n'est pas la nôtre. Parce que quand il a été copté, c'était sans l'avis du parti. Il pensait, avec son mentor, le président Macky Sall, que nous allions nous réunir pour l'exclure. Mais nous sommes plus politiques que ces gens-là. Nous l'avons laissé venir. Il est tombé dans le piège. Aujourd'hui, il est à la paire. allait demander au Wakamwa qu'est-ce qui lui reste. Et l'avenir nous édifiera. Oui. Oui. À Touba. Euh, des médias ont expliqué hier une information selon laquelle M. le Président a été conduit par le Khalif et que certains lieux même lui ont été interdits d'accès. quelles euh, quelle information pouvez-vous donner de concret concernant Mais vous savez, franchement, euh, je pense que ce que racontent souvent certains journalistes est désolant. Est désolant. Parce que je peux vous affirmer que c'est tout à fait faux. Le marabout avait voulu que le président aille à la mosquée, ce qu'il n'a pas pu à cause des grandes mobilisations, vous les avez vues. Les masques qui étaient entre euh, cette résidence et euh, la mosquée. Il a dû rebrousser chemin et vous assisterez ce soir à l'audience du président Wade avec euh, le, Khalif général de Mourides. Donc euh, je pense que, franchement, quelquefois je suis désolé. Parce que, euh, bien sûr, quelquefois, on suppose qu'il y, a des manipulations derrière ces affirmations gratuites. Parce que ce que ce journaliste, je ne sais pas lequel qu'il a dit, mais il est erroné, son information. Elle est erronée. Donc, franchement... Euh, c'est pour que euh, les mourites euh, qui ne sont pas à Touba pensent qu'il y a des différends entre le président et, le Khalif général, ce qu'il n'en est pas, vers, je crois vers 15 h Vers, Quel d'après spécialement parce que vous y tenez vraiment L'enjeu de Touba, Touba est un symbole. Pour nous, c'est un symbole qu'il faut, qu'il faut gagner. Et je pense que euh, avec l'aide de Dieu, nous gagnerons euh, le, département de Mbaké, Inch'Allah. 48 heures à, Touba et pratiquement 48 heures à cette campagne électorale. Ah oui, mais bon, Touba, vous savez, il y a beaucoup d'enjeux. Hein. Euh, on ne peut pas rentrer dans Touba, sortir seulement sans rendre visite à beaucoup de dignitaires. Il y a beaucoup de condoléances que nous allons faire également. C'est pourquoi nous restons à Touba jusqu'à demain matin. Après à et Pire, quelles sont les autres étapes de la Après Tivaouane et Pire, nous allons nous rendre euh, lundi, je crois, samedi, dimanche, nous sommes dans la région de Dakar. À partir de lundi, nous sommes à Saint-Louis, Dagana, Podor, Matam, ainsi de suite, euh, Bakel, Ranerou et le tour du Sénégal est commencé. Question, vos premiers mots, lorsque vous vous êtes vu avec le président Blair, vos premiers mots Non, mais bon, il m'a serré dans ses bras et moi aussi. Bon, <laughs> voilà. mais, on se parle très souvent, hein, tous les deux jours au téléphone. Et puis, bon, chaque fois que je suis de passage à Paris, on se voit très largement. Car, vous savez, euh, dans la vie, il y a toujours des péripéties, des moments d'incompréhension. Euh, c'est ce qui m'avait conduit en 2012 à avoir une liste avec la coalition euh, euh, euh, comment dirais-je, avec notre coalition de l'époque. C'est parce que tout simplement, nous avions un différent sur la tête de liste du PDS de l'époque. J'avais estimé que cette tête de liste devait être ma personne. Bon, ce qu'il n'avait pas compris, bon, c'est ce qui nous a séparés à un moment donné. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais très rapidement, euh, nous nous sommes compris. Et puis voilà, euh, maintenant, il y a le PDS, il y, a deux entités maintenant différentes, mais les relations restent les mêmes. Merci beaucoup. ne dëkk bi ñëpp a fi. ànd ak moom ci nañ daan ànd ak moom. ànd ak moom na te nañu naan ànd ak moom. waaw moom. ne nekku fi. ne di gërëm ñi ko fi toog. bàkkaar bu xol ba tilim mu boot ko laabal ko Thank you.